sauraron shirin mu da fada ku da bienvenue dans notre émission tous à la fada wace ni fanta shamsu zani gabata yau a cikin shirin nous allons parler des préparatifs des examens de fin d'année dans le bac et déjà que les épreuves sportives commenceront dans deux jours pour le BPC et pour le bac ça sera le 25 de ce mois quant aux épreuves écrites et pratiques du bac elles débuteront le 26 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national chez ça yau a cikin fadar tamu zamu des da shirye-shiryen wa'annan examen ki yake wakana da deux côtés bangaren mu de da kuma bangaren yaya suke taruwa su tsara revision kin nasu har ina jadawalin karatu ya kai an samu wa'i da sashi ko kamin lojurji sai kun biyo hirar mu a cikin wannan shirin namu mu haɗu fada wato tusa fada et eh, notre émission comme vous savez ce sont des échanges de la musique et des chroniques le tout en 35 minutes masauraran mu yau mun da zango ne a filin lycée isa korombe domin tattaunawa akan shi namu nan wato preparatif des examens de fin d'année don le bac yau muna tare da dalibai da kuma mushanin lycée isa korombe zan ba su dama kowanne ya gabatar da kashin on va commencer bonjour monsieur comment vous appelez monsieur Hamid Rissama enseignant d'histoire géographie au lycée isa korombe de Niamey moi c'est Maman Sarah Abouakar professeur d'anglais au lycée isa korombe Suleiman Ilyas Ouajiz en classe du terminal A3 Adam Kassonan Firdos en classe. Nana aussi. Oui, en classe de terminale. dans notre padanana. <laughs> Merci. Boubacar Omar Aïchot en classe de terminale A2. Mohamed Lawalda Abba Halimot, en classe de TA3 au lycée Issa Korombe. Boubacar Doud Abdelkarim Suiz en classe de terminale A2 au lycée Issa Korombe. Assia Sali Azuma en classe de TA4. Ok, bienvenue dans notre fada a tous. Kafin mu tsinduma a cikin shirin namu za mu saurari rayukan da muke karba daga masu sauraron mu. Yau tsokacin da muka samu ya zo ne daga jihar Maradi. Mun shirya komai an sai mayo ana cikin shirya shirya insha Allah. Karatu alhamdulillah an shirya. Koyawa ka ce birbe insha Allah muna cikin. Histoire bai yau chapitre biyu rage mana. mata mun kare physique chimie shi ma bai wuce chapitre SBT bai wuce chapitre guda. Pour l'instant nous sommes en train de programmer des groupes d'exercices pour nous exercer à chaque fois, puisque l'heure vraiment est venue. En tout cas, on n'a pas le temps de se reposer, les fadas et autres, on va les mettre de côté pour bien se préparer. En dehors de ça, pour l'instant, les rattrapages sont finis. On a, même presque fini les programmes. Nos professeurs nous aident à corriger des, exercices des anciens épreuves du, de, des, années antérieures. Pour l'instant, vraiment, c'est la première phase même qui va nous aider à réussir puisque ce sont des choses qu'on nous a fait en classe, qu'on nous ramène encore à l'examen. Ok, donc comme vous venez de l'écouter, ce sont des candidats comme vous qui nous ont donné leur avis. Ils viennent de Maradi. Et de votre côté, donc je veux commencer avec vous. Euh, où en êtes-vous par rapport à l'exécution du programme Pratiquement dans toutes les classes d'examen, bon, je ne parle pas de classes intermédiaires, les gens ont évolué, donc la progression s'est avancée beaucoup parce que quand vous prenez la matière qui me concerne, histoire, géographie, sur euh, les trois parties en géographie, nous nous sommes donc sur la deuxième partie. Donc on a déjà introduit le Nigeria qui est pratiquement donc euh, à peu près 60 à 70% du programme. En histoire aussi, on a évolué un peu, mais quand même on a dépassé les 50%. Donc c'est une évolution maximale. Quand vous prenez donc euh, euh, les classes d'examen, quand un enseignant a une classe d'examen, il est obligé de finir le programme et de le boucler à temps. Parce que tout simplement, quand tu n'as pas pu finir le programme, tu as une dette morale envers toi-même. Donc c'est une obligation pour toi que tu te donnes pour finir donc le programme. Donc euh, euh, ceux qui n'ont pas pu évoluer ont programmé des cours donc de rémédiation, donc pour faire des rattrapages donc en temps plein et évoluer dans le dans le programme. Oui, mais est-ce que vous rencontrez des, des problèmes dans l'évolution Des difficultés <clears throat> qui sont liées peut-être aux différents mouvements dès le premier semestre. Mais maintenant, le second semestre, on n'a connu aucune perturbation. Ça évolue très bien. Euh, du côté des enseignants aussi, c'est vrai, les gens ont des revendications, mais donc on se sacrifie pour nos petits frères, nos enfants, pour qu'au moins ils réussissent à la fin de l'année. Monsieur Aboubakar, où en êtes-vous par rapport à l'exécution de votre programme De façon générale, euh, l'UP d'anglais que je coordonne, nous sommes à plus de 100% de l'exécution du programme. Et ça sera fini d'ici la fin de l'année. Oui, d'ici la fin de l'année, on peut faire l'essentiel. Vous savez, nous, nous enseignons les langues. Et en langue, en anglais, qui dit langue, il y a un programme, certes, mais c'est un programme qu'on ne peut pas finir. On essaie de, de, parcourir toutes les structures grammaticales, tout ce qui est lecture, tout ce qui est grammaire, tout ce qui est vocabulaire. C'est ça on est en train de parcourir. Donc de maximiser. Donc on maximise, on fait en sorte qu'on voit l'essentiel pour les candidats. Voilà. Alors Nana Hadiza, yani ne, an shirya? Eh, mun shirya mu Jour Jurji moins combien 81 jours. <laughs> Super. to comment comment vous organisez les révisions? ku ke tsara révision ɗinku? To muna tsara su yanda ya kamata. da set ne muna son bakin nan in Allah ya gara Muna ga kokarin mu dai kuma mu shannu mu suna ga kama muna. wallahi ma shi ne kuke nan ga yi concretement kaka ne kuke tsara journée in kika dauka da la journée ki an thank you candidate ya ne kike tsara journée in ki to mun to tun da swahe ahe in mun sabka muna tsa mi da mai yace sai sai resultar kuma mu tayi mu gida akwai mun ta gida muna ga vize kuma muna da ansanyan kuma gida waɗanda su ke kama muna da haka To na na Firdausi ke kuma ta bangaren ki yaya kike preparan bakin naki? To gaskiya Ya kike organizan kanki pour pouvoir faire tes révisions? Gaskiya dai idan na zo ekol aka yi kuro aka kare na ta gida. Ina dan huta ne kaɗan kahin kuma in ɗauko kayuna na in yi revize saboda kwakwalwa tana buƙatar hutu. kenan dole idan kai karatu ita ma ka dan bata lokaci ta dan huta ta dan hutawa eh, daga baya kuma sai mu ga mu da abokan mu gida mu yi karatu yadda ya kamata idan muka yi da daddare kuma sai kowa ya ta gidansu ya huta ba ku travail de group ko wani muna yi muna yi nan ga in muka sabka treasure trant to aka yi sallah aka dan huta sai kuma treasure mu har travail de group ku kuka sa kanku ko kun bushannin ku ne suka sa ku gaskiya mu muka sa kanmu amma su suka ba mu karfin yin haka ni da mine ne kuke yi bon da yake mu abin gani me yake jan literar ne muna yin francais histoire jo wataran filo ko matkin da duk da ba mu san shi dai muna kamawa to halima ke ya kike tsara jurne inki wato da sai in na zo ekwal mun shiga class mun sabka 3h30 sai in ta gida in huta kanzon ina komawa akwai abokaina da suke ini anan sai mu exercise in mu iya ba sai mu cira shine akwai shine da suke zama anan su zo su gwada muna yadda za mu yi sai su yi corrigion mu 17h 18h Ce sont des révisions en continu, comme vous l'entendez, cher auditeur. Donc, je vais revenir vers nos professeurs. Monsieur Hamma, est-ce que vous avez pensé à des astuces pour mieux préparer vos candidats Oui, parce que d'habitude, les classes euh, sont fermées, les salles de cours sont fermés à 13h30. Mais maintenant, on a fait donc des requêtes au niveau de l'administration pour les laisser ouvertes pour que les candidats puissent donc euh, réviser et en même temps euh, pendant les, différentes vacances, les petits congés là, on profite aussi pour pouvoir faire donc des révisions et des fois même des cours de rattrapage là où on sent qu'on est un peu en retard. Si on a l'impression qu'on a accusé un petit retard, donc on fait donc, euh, des, rattrapages pour pouvoir évoluer. et maintenant, de vos heures. Oui, oui. Non, même deux fois les week-ends. Hmm. Et, des deux fois aussi, donc euh, maintenant, comme on ne veut pas donner les cours théoriques qui sont volumineux, donc on, les traite sous forme de sujet pour les balancer aux enfants comme contenu ou bien trace écrite. Et tout ça, c'est bénévolement que vous le faites Oui, bien sûr que oui. Nous sommes dans une école publique, donc bénévolement, on fait ça juste pour nos enfants. Et vous, de votre côté, monsieur Boubacar En fait, moi, euh, ma propre stratégie à moi que j'adopte avec mes candidats, hein, je vais faire comprendre que dès le premier jour de la rentrée, le bac commence ce jour-là. On prépare le bac le premier jour, pas à une, deux ou trois semaines. Mhm. OK Ça, c'est un. Et deux, au niveau de la progression sur les leçons qu'ils reçoivent de ne pas laisser les leçons s'entasser avant de les apprendre. Et chaque fois que vous avez une nouvelle leçon, il faut tout faire pour la maîtriser la, même, la même journée où vous l'avez et faire les exercices. Et la troisième chose, c'est les travaux de groupe. Et c'est que moi, je donne beaucoup d'importance aux travaux de groupe. Euh, dans mes classes, même les travaux de maison, je donne aux enfants des travaux de groupe. Parce que le groupe, quand les enfants travaillent en groupe, ils s'entraident entre eux. Un enfant, un élève peut être plus pédagogue de fois que même l'enseignant. Parce que lui, il a tellement de facilité à faire comprendre ses, camarades ce qui n'arrivent pas à comprendre, que même l'enseignant ne peut pas. Donc j'insiste sur les travaux de groupe et j'insiste aussi sur la révision immédiate des leçons. Est-ce que vous voyez Et c'est comme ça que moi je conduis mes candidats à chaque année. Voilà. On va vous laisser souffler un peu. <laughs> vous connaissez Dondi, n'est-ce pas Alors, on a que Dondi dans notre émission avec sa rubrique L'artiste s'exprime. Hey. Ladies and gentlemen. Nous allons une fois de plus recevoir l'artiste El Grincho pour qu'on puisse parler de ses œuvres artistiques sur l'émission Tous à la El Grincho. Biggity, la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Aïe Sabou ay go hangande singel sinti hakkande sintin dade to ngane rga pas paskun kun ay vrai nama igene wa el green show de A à Z oh. donc c'est de cela qu'il s'agit parlons un peu du premier single de l'artiste mon premier groupe comme je t'ai dit c'était Illicit ».« Illicit ». arabo illicite non merci il faut encore ?« illicite le premier single de Illicit ». le premier single de illicite ne m'a dit dîner Illicit », ça veut dire qu'il y a la dose il y a la dose oh mais toi premier titre c'est la dose ok donc din sundu sundu niga bay me haye merci Allez, c'est deux heures ma matina gi manda <laughs> to banda banda ay ma Grinchonoka. lala grincho no mc sunday malfa sunday gini Tchaka <laughs> tchaka. Ah, ok. Bigidi bigidi bigidi <laughs> Ça, c'était le premier single de Illicit. Ouais. C'était en 1998. Ouais. La suite. Donc euh, après, on a fait euh, sortie euh, aussi en 2003. Ok. On était toujours en groupe, uh-huh. mais cette fois-ci, ça s'appelle Zone One. Zone One. Zone One. Donc Zone One, on a fait un son qui s'appelle Pose le micro. Voilà. Donc parce que Uroza c'est le clash. Hmm. Tu vois, non donc pose le micro. Pose le micro rano été, Ne saraka fito fito. Ne saraka koto. Ne komaka kakaka ne gande bon ni barka koto. Ne go nega ni jine. Ne go nega di ay nega kay ni chara mama na moto. Moso moso yamu. Ne men lito. Ne bongo bu sando toto. Wadin o o o ne Oh oh Après. Après. Quand Aikoy a été champion en 2007. 2007. pour rappel au burkina faso o burkina faso lokacin oh. din kula sun da album fa uh -huh. ai ka kwaro ok inga nai ka garkasai niga niga niga ai garkasai niga niga niga o kan nari wannan bai bin bodo ni tundi ni bon niger man ba bai ni ko ni niger representer ni te champion d'afrique ni yegi yegi ka irne mai no boro ine elgirichonam iri yega manye kanin ta ku wasa mun ko burkina to ni yega kar ni yega te champion ne ka to bokul mande kodok to din za tayni tangu funu ine clash rap ah inga sa temi inga mi yega gani wani est-ce que tu as un message particulier à ce concernant ton trophée pour qu'on puisse s'il le faut toucher et réactiver et dépoussiérer ouais. parce que Omar Gandal Kasso statue Imana Burkina. Donc du coup il faut qu'on trouve un moyen pour faire revivre ce, ton trophée parce que tu es de retour avec force et puissance. Est-ce que tu as un message à l'endroit du ministre en charge de la culture actuel as ça aussi l'artiste exprime. Ouais. En tout cas, le message que j'ai pour le ministre, on parle de renaissance culturelle aujourd'hui. Donc, quand on dit renaissance culturelle, on parle aussi de la renaissance des artistes qu'on pense disparus, mais ils sont là, des vétérans, des monuments, des dinosaures comme nous. On est là et moi, j'ai mes trophées. Et comme je l'ai toujours dit, mes trophées, c'est pas pour moi, c'est pour le Niger. Aujourd'hui, je préfère voir des Four Ministère. Quand je rentre dans le bureau du, ministre, je vois les trophées de football, machin et tout accrochés. Aujourd'hui, ça me ferait plaisir que mes trophées soient accrochés là-bas. Moi, je n'ai pas dû de me donner un franc. Mais aujourd'hui, que mes trophées soient représentés valablement au niveau du ministère, ça me ferait énormément plaisir. Deux fois champion d'Afrique. On espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du Nous allons encore entreprendre des démarches pour que ton message soit entendu. Merci. Amis de la FADA, nous revenons de l'émission Tous à la FADA avec nos sujets du jour préparatif des examens de fin d'année, dont le bac. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte du lycée Issa Korombe et on en parle avec nos invités. Hadiza, à part les travaux de groupe, quels sont les objectifs que tu t'es fixés, toi, pour pouvoir ake cewa ki samu bakakin nan naki yadda kika rarraba objectif kiki pour euh, pouvoir atteindre le but eh, le but c'est le bac c'est ça eh, le grand but hmm. to na rarraba su ina yi yau histoire jewo ina karanta gobe in yi faransai bari gobe in yi espanyol kama akwai program da eh, ah, un tsara ma kanki awo na yi program amfulwa yadda zan organizin bakina faransai histoire juwo espanyol tun da dai ba matukin nan ba da filo eh filo ko da yana ba mutum fuskin na akwai ya samun shi ne mu essential kawai mu samu bakin nan dai gaskiya na tsara shi yadda ya kamata saboda hada amfulwa ditan na yi kenan idan na kare nan ga tare da abokaina na ta gida ina da amfulwa kina na daban abin da ya kamata in ɗauka da wanda ya kamata a koya mini in ban iya ba duka dai na hidda su daban-daban yadda ya kamata kamar furta revision a gida mm. wake kama miki kina da prof de maison ko kuma ina da dayan nai kuma akwai makwabta wanda suka iya wanda suka yi gabana kwarai kenan idan na kai musu ba su cikin gwada yanzu wani astuce ne kika kawo ma kanki wanda yake miki permitir ki yi revision kuma ta tsaya tsab cikin kanki in akwai sai ki partage avec les autres candidats ki ki nous écoute <laughs> des petits secrets à toi <laughs> to gaskiya dai ina cewa dai idan suka tai suka kare aiki saboda ba a barin uwaye su yi aiki idan suka yi dai yadda wanda suka yi tunda ba duka dai za su yi ba kandida ne wanda suka yi kenan sai a bar su su ma su yi karatu mutum ya karatu idan ka kare kuma kar ka sa wasa ciki ka yi don ka ɗauka in ka kare kuma kar ka ce in ka kare karatu ka je ka yi hira ko wani abu ka nemo je ka huta saboda karatu da hutu shine daidai kenan ana yi ana hutawa ok kafin mu ci gaba mu ma za mu huta a cikin fadar tamu kamar yadda kuka sani wa sauraron fadar tamu muna yi ne muna shakatawa yau za mu shakata ne da faifan group soga baidudu nous revenons de l'émission Tous à la FADA avec nos sujets du jour préparatif des examens de fin d'année, dans le bac. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte du lycée Issa Korombe et on en parle avec nos invités. Nous avons avec nous le censeur du lycée Issa Korombe. Euh, c'est monsieur Adamou Abdou, je suis censeur au lycée Issa Korombe. Alors, où en êtes-vous par rapport à l'exécution du programme dans les classes d'examen donc, euh, dans les classes d'examen, donc ici, nous avons le nouveau bac et le nouveau BPC. Tous les deux niveaux, euh, le, programme a, été exécuté jusqu'ici, jusqu'à 70% en moyenne. Donc, euh, d'ici là, avec le bac, surtout avec la date annoncée, on peut finir. Et les candidats auront même ils auront vraiment le temps pour réviser. Parce que certaines matières ont même fini, des matières scientifiques comme maths. Euh, il ne reste plus que peut-être, euh, même dans les séries scientifiques, euh, un, chapitre comme ça. Hmm. Combien de candidats vous avez cette année Donc on a environ 400 candidats, toutes séries confondues A et D. on doit appeler les élèves vraiment à doubler d'efforts. À, à, réviser. S'ils ont fini le programme, il faut qu'ils continuent à assister au cours au cours de, aux entraînements parce qu'il y a des professeurs qui reprennent euh, les cours, surtout dans les séries scientifiques. Il y a des exercices qu'on revient pour, euh, pour voir des formules. Donc il ne faut pas qu'ils abandonnent leur euh, cahier. Voilà. Et j'encourage aussi les enseignants vraiment pour leur disponibilité. En dépit des mouvements ça et là, les enseignants qui tiennent les classes d'examen, vraiment, ils font tout font des rattrapages pendant les congés. Et même quand souvent il y a des débrayages, il y en a qui refait venir les élèves des soirées. Ça, vraiment, nous, nous apprécions ça au niveau de l'administration et on les encourage et on les remercie pour ça. Là, tout repose sur les candidats. D'accord, merci beaucoup. Toi Halim bari in juyo eh, pour atteindre le but qui est le bac? yadda na tsara su shine in yi karatu in yi karatu in yi exercise kuma bitin ekwal ina in samu bak kenan na tsara shi dole ne sai na same shi don gidanmu ma ana so in samu kuma ekwal ita ma saboda shi ake ringa karanta shi yanzu ko akwai me ake cewa da astuces da strategy da kika sa en place pour tes que tu voudrais partager avec les autres candidats qui nous écoutent na sa astuce din shine su bar whatsapp su bar facebook su yi concentrate su biskan kayye in nasu don connection ko a ba kana iya yin connection ɗinka kenan ka aje portable ka sa hankalinka a bisa kan abun da ce ringa zauwa kana nema ekon hadiza to akele ta plus grande inquiétude d'avant le jour J menene ke baki tsoro wallahi komai bai nan gaba mu tsoro mu bana ka in Allah ya rako mi bai shirya ki gaba da wallahi na shirya wallahi na shirya in Allah ya rako wallahi ba mu ba mu danga jin tsoro wallahi to Allah ya taimaka amin wallahi oke na na firdausi babu abin da ke ni gaskiya no no ni sur le cour ni sur les exercices sur rien même tu es prête wallahi to Allah ya taimaka amin wallahi a ce koyo ne wallahi ko yau aka ce a shiga to halima ke mi ke baki tsoro tuwa ba komi ne na iya fi sabidillahi don tsoron da nake ringa ji kamar progression in kur mu ne ba komi bane na yi zai gaskiya don matama sai da aka dauke min professor na gida fi tsoro na ka a kawo gaba ka ban ida ba ban ida revision ba shi kadai ne tsoro na kuma ina rokan allah ya kabun a kai gaba ya tardo na shirya hmm. na yi shiri na ida amin to allah ya taimaka amin nana hadiza gare ki kuma ba tuna fado stress <laughs> tu stress ba ya ki kai yi kika surwantar stress kin Hey, wallahi wannan abu ayyaka wucewa ya jima na bara na ane fasi dan ci ne sata ane wallahi ban mu danga jin tsoron Allah yarda wallahi Nana Firdosi, et toi, tu stresses pas Si, bien sûr. comment tu fais pour surmonter le stress Vraiment, c'est pas facile. Quel conseil tu peux donner aux autres candidats pour surmonter le stress et réussir son examen est' dai ina ba su kin dai kawai su mance des stress qui de concentrer sur leur étude c'est mieux pour eux Ok, on a écouté les avis des élèves, je reviens vers vous. Monsieur Aboubakar. Oui. Vous, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à un candidat pour surmonter le stress et réussir son examen Oui, effectivement, euh, par rapport au stress, vous savez, euh, quand on parle d'examen, euh, quel que soit le niveau, hein, quel que soit le niveau, il y a toujours ce stress-là. Mhm. C'est-à-dire c'est un état dans lequel le candidat se, trouve. si je, je, si on amène quelque chose que je ne comprends pas, si ceci, si là, C'est ça, en fait, le stress. Et c'est ça qui continue ah, malheureusement joué sur ces cinq candidats jusqu'à ce qu'ils perdent un peu euh, le contrôle. Alors ce que je les conseille, c'est qu'il faut être toujours positiviste. Il faut toujours se mettre en tête que quand je suis en terminale, c'est parce que je peux avoir le bac. Je mérite d'être en terminale, donc je peux avoir le bac. Et on me met dans les conditions pour avoir parce que j'ai tous les professeurs à ma disposition. Je prends mes cours, donc pourquoi je ne vais pas réussir Alors le candidat doit se mettre en tête qu'il va réussir quelle que soit la situation, il, va, il doit réussir et il va réussir. On te met dans les conditions, voilà, les leçons, on te fait les leçons, on te fait l'exercice, il faut apprendre, il faut te mettre au travail. C'est le travail qui donne. Mais le stress, c'est une charge que tu te prends sur la tête et que tu continues à garder ça avec toi et il est en train de te, de te ruiner. Alors, il faut te débarrasser de ça. Concentre-toi sur les solutions qui sont là, qui sont tes cahiers, tes enseignes qui sont là, tes amis, tout ça là. Et je crois que comme ça, les candidats peuvent réussir vraiment. J'insiste encore sur euh, les, travaux de groupe, l'exercice en groupe. Vous savez, les candidats entre eux, ils peuvent beaucoup s'entraider. En dehors de tout cela, eh, il faut être organisé. Certains ont eu peut-être à le dire. Quand on prépare un examen, il faut être organisé. On ne peut pas apprendre tout en même temps. Est-ce que vous voyez mhm. Mais on peut apprendre tout quand on est organisé. On a six voire sept matières à apprendre dans lesquels on va composer. Alors, pour chaque matière, il faut avoir son temps. Pour chaque matière, il faut avoir le jour où on va, on va l'apprendre. Il faut avoir le temps de, réviser les leçons, le temps de faire l'exercice pour chaque matière. Et il faut aussi avoir le temps de se reposer. Ils l'ont dit, le repos c'est très important. Quand vous apprenez, vous apprenez tellement de, de, matières. Si vous ne vous reposez pas, ça ne peut pas aller. Donc le candidat doit se mettre en tête que son, son temps, c'est d'abord assister au cours en classe, parce que malheureusement, on constate qu'il y a certains candidats qui, qui chôment, qui n'assistent pas au cours dans laquelle ça encore c'est notre problème. Peut-être le jour où tu as chômé là, c'est le jour que le professeur va expliquer quelque chose d'important qui peut venir à l'examen. Mhm. Donc il ne faut jamais chômer en classe. Ça c'est un. Et deux, quand vous prenez les cours, ce n'est pas pour aller les déposer, c'est pour les réviser. Il faut toujours réviser. Les réviser c'est très important parce que ça te permet de comprendre ce que tu n'as pas pu comprendre en classe pendant l'explication. Ça te permet de commencer en révisant. Et quand même tu vois que tu n'arrives pas à comprendre en révisant, tu retournes pour montrer au professeur et le professeur est là pour toi. Et ensuite, c'est l'exercice. Il faut toujours insister sur Il faut faire tellement d'exercices. On peut faire un, un tas d'exercices, plus même qu'on a fait de cours. Dans l'exercice, on peut voir beaucoup de choses qu'on n'a pas vues au cours. Les professeurs n'ont pas les mêmes expériences. Un professeur peut ne pas t'expliquer quelque chose, mais tu peux retrouver ça dans un exercice et ça va t'aider. Donc vraiment, il faut faire beaucoup d'exercices et à l'approche, à l'approche des examens, il faut essayer de, minimiser un peu les révisions. Est-ce que vous voyez Quand vous vous approchez euh, aux examens, ça veut dire que le, stress dont on a parlé là, ça va à son maximum. Donc il faut essayer de prendre plus de repos. Plus de repos, il ne faut pas être toujours cabré sur les cahiers, il faut être plus de repos. Et ça, ça permet vraiment une bonne préparation. Sinon, on ah risque d'être surmené. Ah oui, on risque d'être surmené, effectivement. Et là, on perd. Alors, quelle est la journée idéale pour un candidat Je pense que euh, un candidat, à mon avis, hein, un candidat n'a pas de, journée euh, spéciale. Mhm. Toutes les journées sont à mettre à profit. Chaque jour que Dieu te montre en tant que candidat, tu dois avoir, tu dois te lever avec un programme. Aujourd'hui, je dois réviser, par exemple, le français je dois faire un exercice de maths, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mhm. Aujourd'hui, si je pars à l'école, à la descente, voilà ce que je dois faire. C'est ce programme que le candidat doit avoir. De toute sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame dans, dans ses activités. Donc chaque jour, il faut avoir ce programme-là, y compris les temps de repos. Voilà. Alors, on est presque au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités pour que les épreuves se passent très bien dans l'ensemble Déjà, tout a été dit. Et à leur niveau, ils ont déjà programmé les examens. Donc euh, <laughs> le jour maintenant le reste c'est entre euh, les encadreurs et, les nous autres administrations pour euh, suivre nos candidats. Ma abotan à la FADA, comme vous le savez, dans notre FADA, nous accueillons Olivier chaque semaine pour sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Dans l'espoir que vous avez passé une excellente semaine, nous allons commencer les chroniques de la semaine avec euh, cette affaire qui affole le web sous le hashtag Dubai Porta Porti. En tout cas, ce bad buzz a enflammé la toile non seulement au Niger, mais partout au monde. Chers amis, probablement vous avez entendu parler du scandale affreux qui touche le monde des influenceuses actuellement. Si vous n'avez pas encore entendu parler, eh bien ce soir nous allons quand même revenir sur les nouvelles que vous ignorez peut-être. D'abord, commençons par les influenceuses et influenceurs. Ce qu'on peut appeler les acteurs de ce film, si on peut le dire ainsi. Qui sont ces gens qui ont de l'influence sur les autres jusqu'à en faire un métier ouais, en 2022, être influenceur ou influenceuse peut être un métier, du moins pour ceux et celles qui le pratiquent. Concrètement, sur les réseaux sociaux, ces personnes qui partagent régulièrement des contenus et ont des vues sont considérées comme influenceurs ou influenceuses. Il est pratique aussi de juger l'influence d'une personne par rapport à son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Jamila Ferdiani, par exemple, peut être considérée comme une influenceuse sur Twitter puisqu'elle y comptabilise plus d'un millier d'abonnés. Quant à Aïcha la Nigérienne, elle est considérée comme influenceuse sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok et autres. Eh bien, ces dons que je viens de citer sont ceux qu'on peut désigner comme étant des influenceuses positives. Positives car elles orientent dans le bon sens. Elles donnent des conseils, elles orientent vers des contenus éducatifs et elles font rire pour certaines ou certains d'entre eux. À côté de celles-là, nous avons une catégorie spécialisée dans la diffusion des contenus sensibles, sensibles dans le fond comme dans la forme. Il y en a qui sont influents ou influents parce qu'ils ou elles appellent à la haine, par exemple. D'autres, c'est parce qu'ils dansent sur les réseaux sociaux. Et certains sont influents parce qu'ils font des chroniques. Je ne parle pas de moi, bien évidemment, mais je pense à des gens comme Babs Magaji qui, comme moi, écrivent et qui rendent leurs tests sous diverses formes. Et tout cela, ces influenceurs sont influents parce qu'il y a des gens qui sont influençables, sur qui ils ont de l'influence. Et vous, quel type d'influenceur a de l'influence sur vous C'est la question que je nous pose ce soir. Répondez en réagissant sur la page Facebook du Studio Kalangu. Nous sommes également sur Twitter, Studio Kalangu. Et surtout, restez informés. D'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, je ne cesserai jamais de vous le souhaiter. Paix, lumière, amour sur vous. One Big Love, les gars. Là, on se check demain pour une nouvelle chronique. Et eh oui, les amis, tous à la fada, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. L'émission d'aujourd'hui, c'était sur les préparatifs du bac et nous étions en compagnie des candidats du lycée Issa Korombe, les professeurs et l'administration. Comme ils l'ont dit, il faut surtout miser sur les révisions. Let's see what video concerns you have that